sommes mardi 30 avril 2024, chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, Rabia Mekano et Rukayatou Abdraman. La technique est assurée par Mustafa Ayouba et Adama Dawaki à l'édition. Bonjour Ruki, comment vas-tu Très bien Rabi et toi ça va, Alhamdulillah. Et quel est le programme d'aujourd'hui Dans cette émission d'aujourd'hui, vous suivrez un entretien avec Dr Hassoumi Larabou, il est néphrologue. Avec lui, nous en saurons plus sur l'insuffisance rénale. Ensuite, vous suivrez nos différentes rubriques pour agrémenter votre journée. Le Niger sur Kalangou, c'est une heure d'émission rythmée par de la bonne musique 100% nigérienne. Restez câblés, c'est parti. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec euh, notre flash d'information présenté aujourd'hui par Nafissa de Moussirfou. Bonjour, bonjour Nafissa. Bonjour Ricky, bonjour Rabi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Laminzen, séjourne depuis dimanche à Riyad en Arabie Saoudite. Il prend part aux réunions annuelles de la Banque islamique de développement du 27 avril au 30 avril. Les réunions offrent l'occasion de discuter des moyens de renforcer les relations économiques entre les États membres et de maximiser la coopération avec les institutions financières participantes. Le directeur de publication du quotidien privé, l'inquiéteur Idriss Souman Mega, a été placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Niamey hier lundi 29 avril. Interpellé il y a quatre jours, il est poursuivi pour atteinte à la défense. Cette arrestation a suscité l'inquiétude de RSF reporter sans frontières qui voit en ce TACTA une atteinte à la liberté d'expression au Niger, rapporte le journal Air Info. À l'international, les autorités burkinabées ont, dans un communiqué ce samedi, dénoncé le rapport publié jeudi dernier par Human Rights Watch, dans lequel l'ONG accuse l'armée d'avoir commis un massacre de plus de 200 civils en février 2024 dans deux villages dans le nord du pays. Le gouvernement burkinabé a rappelé qu'une enquête judiciaire a été ouverte sur ces séries de tueries avant de réaffirmer son attachement à la protection et à la promotion des droits humains. C'est la fin de ce flash d'information. Merci bien, Nafissa. C'est toujours un plaisir de te recevoir. cher auditeurs, nous suivrons dans quelques instants un entretien sur euh, l'insuffisance rénale et ça sera avec docteur Hassoumi Larabou, il est nephrologue. Mais avant d'entamer cette première partie de l'entretien, nous allons d'abord partir en balade musicale. Je vous propose le titre Halimatu de Mahmoudou Abdou On écoute. le titre de cette chanson, c'est aussi le nom de l'épouse de l'artiste Mahmoudou Abdou Salam. Dans cette belle chanson, l'artiste nous trace le récit de leur histoire d'amour qui remonte à leur enfance. Mahmoud Abdou Salam et son groupe Les Tandistes ne sont plus à présenter au public ni aux mélomanes nigériens qu'ils font d'ailleurs bouger depuis plus de depuis moins de trois décennies. halimato Halimatou de l'artiste Abdou Salam, une très belle déclaration d'amour, n'est-ce pas, Ravi <laughs> Ben oui, Ruki. Alors, revenons à notre entretien du jour. Oui, Ruki, en effet, la maladie rénale chronique affecte plus de 850 millions de personnes dans le monde, provoquant au moins 2,4 millions de décès par an, selon des données fournies par la Fondation du Rhin à l'occasion de la Journée mondiale du Rhin le 12 mars 2020. Les reins sont les organes qui assurent notamment la filtration du sang et la production de l'urine. Ils jouent un rôle essentiel d'épurateur et de régulateur de l'organisme, le docteur Hassoumi Larabou, néphrologue. Les reins servent à éliminer ce qu'on appelle les déchets du métabolisme azoté, c'est-à-dire ceux qui proviennent de l'alimentation des protéines, les viandes. Les reins servent à assurer un équilibre du milieu intérieur à tout instant l'eau et les électrolytes. Et troisièmement, c'est que le rein participe à la fabrication d'un certain nombre d'hormones, notamment l'arénine, qui intervient dans la régulation de la pression artérielle, la vitamine D qui intervient dans la régulation du calcium, l'érythropoétine qui intervient dans la fabrication des globules rouges. Grosso modo, c'est les trois grandes fonctions du rein. Alors docteur, quand parle-t-on d'insuffisance rénale Quand on parle d'insuffisance rénale, c'est que c'est l'incapacité justement des reins à assurer ces fonctions-là, éliminer les déchets azotés là et maintenir l'équilibre du milieu intérieur auquel je faisais allusion et la production de ces hormones. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette insuffisance rénale peut être aiguë ou chronique. L'aiguë, c'est que de manière soudaine, le rein ses capacités d'assurer ses fonctions-là. Alors que dans l'insuffisance rénale chronique, en fait, c'est un processus au long cours. C'est une maladie qui conduit à la destruction des reins et au final, c'est, comme on appelle, c'est toujours la perte de ces fonctions-là. Voilà. Donc une insuffisance rénale survient sur des reins sains. Il n'y a aucune maladie. Euh, pouvez vous faire transfuser du sang. Si jamais il y a une erreur de compatibilité, ça peut vous conduire à une insuffisance rénale aiguë, alors qu'auparavant vos reins sont indemnes de toute maladie. Alors que l'insuffisance rénale chronique, c'est une maladie rénale qui peut être primitive. Le rein est malade de naissance. Il y a une maladie rénale qu'on appelle la polykystose rénale récessive je vous assure, à 6 ans déjà, l'enfant va arriver au stade d'une insuffisance rare chronique terminale. Est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent endommager les reins Il y a des maladies générales qui peuvent conduire à une destruction du rein dans le temps. Et ces deux grandes maladies-là, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète. D'où aujourd'hui, justement, la prise en charge de ces deux maladies est une nécessité impérieuse. Quand on sait la prévalence de l'incidence de ces deux maladies, au niveau des reins. Vous allez aujourd'hui dans les services de néphrologie ou en, en hémodialyse, je vous dirais que pratiquement la moitié des patients sont en insuffisance orale chronique terminale par le biais soit d'un diabète ou d'une hypertension artérielle. Quand je dis insuffisance orale chronique terminale, ça veut dire que les reins ont perdu leur capacité. Il n'y a plus rien. C'est la machine qui substitue le travail de terrain. Autrement dit, la vie est impossible. Est-ce qu'il y a des examens pour contrôler l'état du reins Donc, euh, la maladie rénale, son évolution, elle est insidieuse. Elle se fait à bas bruit. C'est juste un bilan sanguin et urinaire qui permet de dire si vous avez un problème de rein ou pas. Première chose, l'arbre urinaire. Il faut l'explorer. D'abord par les urines, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, tous ces éléments-là, normalement, ils ne doivent pas être éliminés dans les urines. Quelqu'un à qui on fait un examen d'urine où on trouve la présence de globules rouges dans les urines, la présence de globules blancs dans les urines, la présence de protéines, c'est une anomalie. Ça veut dire qu'il y a déjà une forte suspicion de maladie rénale. Deuxièmement, il faut faire une, une morphologie, c'est-à-dire faire une échographie de l'arbre urinaire pour voir la morphologie des reins. Est-ce que la taille des reins est normale Est-ce que la, taille des reins est diminuée, augmentée de volume Parce que les polykystoses, par exemple, auxquelles je faisais allusion, c'est des reins de grande taille que la, personne a dès euh, la naissance. Est-ce que le rein est le siège de calcul des cailloux Tout ça, c'est des maladies primitives. Donc, il faut les rechercher systématiquement. Sinon, on peut ne pas, euh, il n'y a pas de manifestation quelconque. Par contre, lorsqu'on suspecte euh, une atteinte rénale en rapport avec une maladie secondaire, comme le diabète, l'hypertension, systématiquement, il y a des paramètres qu'on recherche pour savoir est-ce que cette maladie euh, hypertensive, cette maladie diabétique a une incidence sur le rein. Et ça également, c'est une prise de sang qu'il faut faire pour doser ce qu'on appelle l'urée, la créatinine plasmatique. Lorsque ces paramètres sont perturbés, il n'y a pas de doute, c'est que votre maladie générale là a un retentissement sur le rein. Voilà, c'était la première partie de notre entretien sur les fonctions des reins avec Dr Hasmi Larabou, nephrologue. Fidèles auditeurs, repartons en musique avec Kirari de Zedem. made her rap. Shimmy, suka made her rap, yo. Rapper gangster, promoteur escroc. Katuba bisa hanya MC Seja Wado. Bala da biba tabi aba kumya kumbaz oro. Wai, in kare ne yannun ka mika ke suma. I, mika ke jira. mi kuka made her rap. Call rap ta made daka ka ta saka Ha-ha. Beware of my family danger next rhyme I write might, might, might be about you. Be, be, beware of my family danger. or the next rhyme I write might, might, might be about you. C'était Boubacar Zara alias Zedem, une des pionnières du hip-hop féminin d'Afrique de l'Ouest. Zedem relève le défi de se faire une place dans le milieu du rap nigérien pour se faire entendre et être le porte-parole des sans-voix universelles. le rap. Euh, musique, de revendication sociale dépasse les frontières. Elle c'est quelqu'un, hein, bien sûr, elle a entamé sa carrière musicale en 2002 et la même année, elle remporte le premier prix d'un concours musical organisé par l'ambassade de France via le Centre culturel franco-nigérien et ce fut la consécration car cela a permis à l'artiste d'enregistrer deux singles qui l'ont davantage propulsé dans ce milieu. Voilà, elle continue d'apparaître sur euh, quelques scènes euh, encore, euh, sur quelques scènes de rap. Franchement, on lui souhaite encore une bonne continuation dans ce qu'elle fait. C'était Kirari de ZM, poursuivant avec la deuxième partie de notre entretien sur l'insuffisance rénale, une pathologie très souvent silencieuse qui se manifeste à un stade très avancé. Dans la deuxième partie de notre entretien, nous nous aborderons les manifestations cliniques de cette pathologie et la prise en charge. Et ça sera avec Dr Lara Bouhassoumi, le nephrologue. Tant que l'insuffisance rénale n'est pas avancée, on classifie à peu près cinq stades depuis le début de la maladie rénale jusqu'au stade où on pense que les reins ont perdu leur capacité de fonctionnement. On les classe en cinq stades. Les symptômes n'apparaissent que vers le quatrième stade. Autrement dit, les trois premiers stades sont asymptomatiques. Et lorsque les symptômes apparaissent, on vous dit que la fonction rénale est amputée de 80%. Et ces symptômes, il n'y a rien de spécifique. Pour amener pour voir déjà dans la fonction du rein, je disais l'équilibre hydroélectrolytique et les déchets azotés. La rétention de l'urée, la créatinine, qui sont des déchets azotés lorsqu'ils sont retenus dans le sang, particulièrement l'urée, ça va vous donner des vomissements, ça va vous donner des maux de tête. Qui va penser, parce qu'on vomit, on a des maux de tête, que c'est le rein. Le, je disais que le rein concourt à la fabrication de globules rouges. La personne va se retrouver en anémie. On ne comprend pas. Hein. l'anémie, on va chercher autre chose, plutôt une maladie sanguine. Mais pourtant, c'est le rein. Euh, le, le calcium, n'est pas, la vitamine D n'est pas produite le malade va se retrouver avec des douleurs osseuses, allant jusqu'à parfois des fractures spontanées. Tout ça, il faut y penser. Donc il y a un polymorphisme clinique au stade très avancé de la maladie. Ça, c'est le suivi néphrologique qui permet de voir déjà que le patient a une maladie à risque et que le bilan de retentissement sur le rein est déjà annoncé et on suit le patient et on va prévenir justement l'apparition des symptômes. Mais de toute façon, les maladies chroniques à retentissement rénal, quel que soit le suivi, elles vont arriver tôt ou tard au stade terminal. Seulement, avant d'arriver à ce stade-là, il faut préparer le malade. Il faut que le malade arrive au stade terminal dans de bonnes conditions. Si tu as de l'anémie, il y a des médicaments qu'on te donne qui vont corriger cette anémie. Si tu as de l'hypertension artérielle, il y a des traitements qu'on va faire qui vont te corriger. De telle sorte qu'au moment où tu vas arriver au stade terminal, il y a ce qu'on appelle les facteurs de comorbidité. là. Elles sont pratiquement inexistantes. Mais le malade qui n'a pas eu un suivi néphrologique, depuis la maladie rénale jusqu'au stade de l'insuffisance rénale terminale, il va arriver avec euh, des reins qui ne fonctionnent plus, un cœur défaillant, euh, de l'anémie par par-là, des problèmes osseux, beaucoup de facteurs de comorbidité. Et c'est ça qui rend la prise en charge au stade terminal d'une insuffisance rénale très difficile. Qu'en est-il de la prise en charge au Niger Dépend du stade de la maladie rénale. Je disais tantôt que avant le stade 4, pratiquement, il n'y a pas de symptômes. Mais lorsqu'on arrive à ce stade-là, les symptômes qui sont là, on peut les corriger. Et c'est un traitement symptomatique. Par contre, le traitement de fond sur le rein lui-même, la maladie causale doit être prise en charge correctement. Un diabète, si votre diabète ne s'équilibre pas, vous savez bien que la maladie rénale va s'amplifier. Maintenant, pour améliorer la le fonctionnement du rein même, il y a quand même l'aspect régime qu'il faut voir. Le régime en sel, il faut faire attention le régime en protéines, les viandes. Aujourd'hui au Niger, les gens sont des gros consommateurs de viande. Or, l'hyperprotidémie accélère le processus de destruction du filtre rénal. Donc, avant même qu'on arrive au stade des symptômes de la maladie rénale, en mesure hygiéno-diététique appropriée, manger modérément salé, manger modérément sucré, manger modérément les viandes. Lorsque vous êtes, vous êtes au stade de la maladie rénale avec des symptômes précis, une hypertension, je disais tantôt, donne une, insuffisance rénale. L'insuffisance rénale peut même donner une hypertension artérielle. Donc cette hypertension artérielle, elle doit être prise en charge, hein, soit par le néphrologue ou des, des confrères euh, spécialistes, les cardiologues. L'anémie, il faut la corriger, c'est des médicaments. Le malade peut faire des ulcères gastriques, il faut les traiter le malade va manquer du calcium et de la vitamine D. Il faut les traiter. Donc tout cela en fonction de chaque symptôme que le malade présente, il y a un traitement adjuvant à faire et vous suivez l'évolution. Parce que là, vous êtes à un stade 4, je disais tantôt, ou euh, un stade auquel les signes apparaissent, mais d'autres, peut-être à un stade 3 déjà, les signes peuvent apparaître. Un autre, c'est pratiquement au stade 5. Donc, chaque cas, c'est un cas. Vous voyez bien. Donc il y a la prise en charge des mesures hygiéno Merci au docteur Assoumi Larabou pour toutes ces informations édifiantes. On se reprend juste après la pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 22 minutes. Vous êtes bien sur l'émission Le Niger sous Kalangu, co animé par Rabia Meikano et Rukayatou Abdraman. Passons à présent à notre rubrique hebdomadaire. Le Niger, un pays sahélien où il fait très chaud pendant la période allant de mars à mai. Oui, Rabi, cette chaleur peut être nuisible à la santé humaine. Plus de détails avec le docteur Harou Abdraman, médecin-chef du district sanitaire Niamey 3. Il est au micro de Zainabou Abdou. Dans les périodes de chaleur, il faut euh, noter deux aspects. D'abord, il y a l'impact elle-même de la chaleur, de la température sur euh, le corps humain, sur la santé humaine. Mais il y a aussi donc euh, les facteurs de maladie qui sont développés au cours de la période de chaleur. Quand on prenait en fait au Niger, la période de chaleur commence de février qui va aller jusqu'en juin. Donc c'est une période assez longue et pendant laquelle on rencontre euh, fréquemment des maladies qui peuvent être saisonnières liées à cette période-là. Maintenant, les maladies liées à l'impact de la chaleur sur le corps humain, c'est surtout donc euh, des désordres donc hydroélectrolytiques donc euh, du genre d'hydratation. Lorsque la personne donc travaille ou se fatigue ou est soumise à une intense température ou une, ambiance assez chaude et sèche, donc il va de soi lorsqu'il ne se réhydrate pas qu'il perd constamment de l'eau et de sel à travers la sueur, à travers la, respiration. Donc au finish, c'est des facteurs qui peuvent entraîner la déshydratation. Il y a aussi l'impact aussi des rayons solaires sur la peau humaine, donc les rayons qu'on appelle les rayons ultraviolets, qui peuvent être très nocifs, donc parce qu'ils peuvent créer euh, des lésions cutanées, donc euh, des brûlures, donc euh, du soleil. Mais aussi il y a l'impact qu'on appelle le coup de soleil donc euh, le fait que la personne se déshydrate assez rapidement sous une ambiance très chaude et peut entraîner des risques, ben, donc des situations qui peuvent engager les pronostic vital. En dehors de ça, il y a maintenant la question des maladies qui se développent au cours de la période de chaleur. Ici au Niger, nous avons cette tradition donc des maladies infectieuses qui sont euh, le plus souvent euh, vues pendant la période de chaleur. Elles vont des infections respiratoires aiguës jusqu'à euh, des infections bactériennes telles que la méningite. On, donc, on parle même donc de la saison des épidémies. Pourquoi Parce que c'est pendant cette même période-là qu'on rencontre le plus souvent donc, des épidémies liées soit à la rougeole ou à la méningite dans euh, l'espace sahélien ou particulièrement au Niger. Vous pouvez nous parler des infections respiratoires qui se développent pendant cette période a priori, donc, les infections respiratoires euh, sont plutôt liées à la levée de la poussière dans l'atmosphère. Mais le plus souvent, pendant cette période chaude-là, c'est surtout les infections de type euh, rougeole ou méningite qui sont les plus fréquemment rencontrées. Bien que les deux maladies euh, ont leur voie de contamination par la voie aérienne. Donc euh, on peut l'assimiler un peu à ces maladies, mais la cible en fait n'est pas trop le système respiratoire, mais plutôt c'était juste une voie de contamination qui est la voie aérienne. Quand tu prends la rougeole, donc, euh, dès la fin du mois de février, donc, nous entrons carrément dans la période donc, euh, où il y a la recrudescence des cas de rougeole, y compris donc, les cas de méningite donc, ici au, Niger. Et cela se traduit selon par un aspect qui est l'impact donc du climat, l'impact donc de la pollution atmosphérique donc euh, sur les muqueuses oro euh, oropharyngées et sur le système donc les euh, muqueuses du système respiratoire. C'est à cette période-là où vous allez voir que les muqueuses sont très sollicitées pour la protection donc, du corps parce qu'il y a le vent qui est sec et il y a la poussière qui s'élève. Donc nous respirons un vent sec ou froid avec de la poussière qui se lève, et ce qui peut altérer carrément donc, la fonctionnalité donc, de ces muqueuses-là et peuvent être donc le lit de développement de certaines maladies infectieuses respiratoires. Et c'est là où ça crée la porte d'entrée donc de la rougeole ou de la méningite chez l'individu. Comment se protéger de la chaleur La chaleur, en fait, c'est une élévation de la température donc, de l'air ambiant. Se protéger demande d'abord donc d'identifier les moments de la journée les plus chauds donc euh, pour pouvoir s'y mettre à l'abri et aussi donc de prendre des précautions afin donc d'éviter donc euh, les rayons solaires et ultraviolets nocifs sur la peau. Le premier aspect c'est par rapport à, l'identification des horaires. Comme vous voyez, en fait, déjà aujourd'hui, les températures maximales peuvent aller jusqu'à jusqu'au-delà de 45 degrés. Donc, et elles s'élèvent très tôt, donc, dans la matinée. Donc il faut surtout éviter donc, de se mettre dans ces arbres d'ambiance chaude pendant eh, les mois de journée entre 11h et 16h. Donc c'est vraiment de se protéger de ces, de ces rayons-là en se mettant à l'ombre. Et c'est aussi un travail à faire, vraiment c'est de se mettre à l'ombre. La deuxième façon de faire aussi, même si on est obligé de travailler sous le soleil, vraiment qu'on s'hydrate fréquemment, qu'on ne reste pas longtemps sans boire de l'eau donc pendant ces périodes-là pour pouvoir remplacer donc les prêts donc, à que, que notre organisme fait donc, pendant la sudation. Fidèles auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire santé. L'émission Le Niger sur Kalangou se poursuit avec de la musique. Je vous propose cette fois-ci Mandoula de Maman Barka. Barka, le maître du gourmi, le maître du biram, Maman Barka, était un instituteur de formation de son vivant. Il était plus connu dans la musique que dans son domaine de l'enseignement, bien sûr. Il vient même de le rappeler dans cette chanson qu'il était enseignant. Il a conquis très vite le cœur des Nigériens et Nigériennes avec sa musique traditionnelle à travers le kuntigi, qui est un instrument traditionnel à cordes qu'il jouait et qu'on le retrouve le plus au Niger, au Nigeria, mais il maîtrisait aussi plein d'autres instruments à cordes, Rocky. Maman Barka puisait ses chansons dans des thèmes de société tels que l'amour, la tristesse, le patriotisme, la beauté de la femme. Il chantait son amour propre inconditionnel à Meiram où il voulait l'inviter dans son village natal, Tesker, pour contempler le coucher du soleil avec elle. Hmm, quel poète! Voilà, Mandoula, l'une de ses plus grandes chansons. waka duniya da da à tous nos aînés qui nous suivent sur cette émission. Alors, cap sur Tirozérine, région d'Agadez, pour le reportage région. Cette année, l'exode des jeunes vers l'Algérie et la Libye est devenu une source d'inquiétude pour leurs parents. Oui, la population estime que l'insuffisance des pluies dans la région est l'une des causes de cet exode, suivant le reportage de Ahmed Fellan rendu au studio par Ali Munkaila Husseini. Situé à environ 4 km de la ville de Chirogérine, le village de Tumga a enregistré cette année un taux élevé des jeunes exodants.

akwai matsala nan wurin kasan alije ba kamar nan bane akwai doka gwamnati ba ta yarda da mutane shine babban matsala muke hange bana komin biyu bana suna cikin matsala komin ciro komin da baga bisa harrakar ruwa garake duka an sake su yara sun tafi libi sun tafi le manque de pâturage et de l'eau souterrain sont quelques-uns des facteurs qui poussent les jeunes de Tirogérine à partir en exode estime Al Mustafa Idrissa président du conseil départemental des jeunes. L'élevage, de l'agriculture, c'est bel et bien des activités existantes dans notre milieu, mais de la part des acteurs de développement, ces jeunes n'y sont pas initiés, ils n'y sont pas encadrés, il n'y a pas des appuis techniques, financiers, matériels qui puissent encourager ces jeunes-là à s'adorer pleinement à ces activités pour qu'elles leur soient rentables et à la hauteur de leurs attentes. l'un des aspects frappants de cet exode et que ces jeunes, quand ils atterrissent à destination, c'est-à-dire en Algérie, ils n'ont aucun statut, ils sont dans une situation tout à fait irrégulière. Moussa Ahmed, natif de Tirogérie, lui-même ancien exodant, témoigne des difficultés que les jeunes rencontrent dans cette aventure. Quand tu quittes la maison, tu vas laisser derrière toi toute une famille. Et au cours de la route aussi, il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre parce que moi, j'ai fait l'expérience parce que les conditions dans lesquelles les voyages se passent, c'est pas du tout normal. Par exemple, un véhicule qui prend 9 places, tu vas retrouver une cinquantaine de personnes à bord de ces véhicules. Il y a certaines qui sont même attachées par des cordes au cours du voyage. Donc déjà, il y a les risques, il y a les dangers. Et puis, euh, on ne passe pas par le voie nationale. Avant de quitter notre territoire, il faut contourner les barrières. Et arriver aussi euh, là où tu vas rentrer les pays, par exemple, quand on parle de l'Algérie, il faut que tu contournes toutes les barrières. Pour ce qui est de cette année, vraiment, les conditions qui ont poussé les gens à voyager dans notre zone ici, dans la vallée de Tirozé, quand vous prenez la majorité des jeunes, leur activité, c'est les jardinages. Et puis cette année, vraiment, les conditions ne sont pas réunies pour rester. Cette année, il n'a pas assez plu au niveau des puits. L'eau, elle est très insuffisante. Elle peut pas nous satisfaire pour les cultures qu'on va faire. Mahmoud Al-Gafiat, chef de village de Tumga, lance un cri de cœur à l'endroit des autorités afin de venir en aide aux jeunes du département de Chirozérine. Prenons cette petite pause pour revenir juste après avec le sport. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, c'est l'heure de notre premier numéro sportif de la semaine et Gouza Hassoumi est avec nous dans ce studio. Bonjour Grouza. Bonjour Rabi. bonjour Rocky. Bonjour Grouza. Apparemment, vous avez pris du café. Ah ouais. Ah Parce que <laughs> vous savez que euh, demain, c'est le 1er mai. Ah oui. Donc ah il faut que vous preniez du café pour, être, pour, faire le défilé. <laughs> Ah ben oui. On y va, Rabi. Voilà, Grouza. Alors, la Super Ligue nationale, c'est avec cela que nous allons commencer avec quelques résultats de rencontre, n'est-ce pas Oui, euh, Rabi, l'AS Garde nationale et l'Union sportive de la gendarmerie nationale ont fait match nul un but partout. L'Olympique euh, FC de Niamey, Jean Gozo de Marais se quitte euh, sur un score nul et vierge de 0 but partout. L'espoir de Zender dispose de liberté de Niamey sur le score de 2 buts à 1. L'Urana Darley surprend la Police, les Berinois à Niamey, 1 0 pendant que Renaissance Club de Bukuti dispose de l'Akokana 1-0 et la GST de Tawaba Tagour euh, Dosome. C'est c'est des faits que je n'aime pas. Tagour Dosso, voilà. je suis Mais ce n'est pas un problème, c'est le sport. Donc, Donc, euh, de Dosso, 1-0 hier. L'AS Douane a battu l'AS Nigelec sur le score d'un but partout, un but à 0 Zumunta et le Salon fait match nul au stade municipal de Niamey. Quittons Niamey pour la région de Zender, plus précisément à <laughs> Kazoui, Kazoui, pour parler du tournoi de football inter-école. Oui, euh, rookie Ruki, c'est un gros village. Hmm. Je ne sais pas, parce que j'ai vécu là-bas, j'ai étudié même à Kazoué. Donc je connais Kazoué. C'est un tournoi qui a réuni deux écoles composées de quatre équipes pendant quelques jours. La finale opposée, le CSP l'Antarquie, CSC Gamou. Gamou de Kaozawi. Mm, Gamou. Gamou de Kazoui. C'est quoi Gamou Toi, tu peux m'expliquer. Gamou. <laughs> Ganina. Quoi je ne sais pas Après le temps réglementaire, le <laughs> match était de zéro but partout. Il a fallu l'épreuve de tir au but. Et c'est là que Gamou de Kazoui a remporté la victoire devant l'Antarctique sur le score de 5 tirs à 4. Les deux capitaines, Suleiman Nouhou et Gaïa Adoua, s'expriment au micro de Ibrahim Manzo. gaskiya ina murna saboda abu ne wanda ban yi ba tsammanin za zo hafta kai mu da turɓe so ne tun a farko tun da farkon wasa a samu ci saboda eh mun yi su jiyarwa sakamakon mun yi su wasa na kirki saboda Allah kuma wasa ne wanda gaskiya ya ci a ce dama tun bawo ba mun yi shirye-shiryen dama za mu haɗa tsakaninmu da mu da su wasa ne wanda elab dama tun bawo suna mana mu haɗa mu haɗa mu yi wasa yanzu gashi nan mun yi wasa mun kare lahiya komi da komi ba matsalar da aka samu ba komi da komi gashi nan yanzu ma kowa yana murna tukuici gashi nan akwai free na premier da dai zai hada turaziyam ma a wallahi mun yi murna an haɗa an yi wasa laya lau ba wanda ya ji ciwo amma wasa ya yi gaskiya babu ha'inci albitri abu sa'an da ya kamata duka ɗaya ne ana tare balo ta yi kyau yau ku aka kasa ga kwallo kenan duka mu ɗaya ne zan iya cewa an zo a gane juna ne amma wasa ya yi kyau ko da sun ci mu ba a ci ba a ji ciwon ci ba amma wasa ta yadda ake so babu wanda ya yi da wani kuma wasa ta daidai. In har za a sake wani irin shiri za ku yi. Za mu shirya kamar yadda kamata saboda falo mun ga ta ko ina tana samun gyara. Oui, effectivement, Ruki, eh, nous allons parler eh, d'un des organisateurs, il s'appelle Ibrahim Manzo, il nous a expliqué comment euh, ce tournoi s'est organisé. On va l'écouter. wannan wasan da ya kama dama wasa ne wanda aka busa cikin minti 25 da hutun minti goma suka yi shi kuma kowane shari ya yi bakin kokarin tun hari zawa karshen har ya kai su inda ya kai sai da aka yi daga bugan daga ni daga gola mai tsaron gida zuwa mai bugawa yana wanda ake kya penalty turo bit kuma yau aka yi final inda yan cs suka hudda yan lantarki a cikin turobit kenan yanzu kenan gwannan namu da aka suka huto zakarin namu kenan su ne yan cs a birnin kazawai yan lise Mm. Voilà. Mm. Shi ne a takaice dai Vas-y. Quittons Kazaway pour d'outils malgré le fait que tu as fait le tour du Niger en quelques minutes, Grouza. Mais Rabi, euh, c'est ça le sport. Je peux quitter Niamey pour aller à Zender Difa Maradi. Ouais. C'est ça le sport. Et brièvement, c'est pour vous dire que, à nos auditeurs que les équipes euh, de football de, de et de Falmay se sont croisées dans le cadre du championnat régional de Dosso. C'était le samedi dernier. C'est Dugunuchi, euh, l'Ariwa, qui a remporté le match euh, devant Falmay sur le score de 3 buts à 0. Il ne faut pas que, si on dit Falmay, eh, eh, il y a notre confrère là qui est là, non <laughs> bel à c'est pas filmé <laughs> Oui, Mokhtar, il va être, euh, il va, il, va être fair play, c'est bon quoi. Ah bon <laughs> Oui. C'est ça le sport. Et voilà pour le sport. Et c'est l'occasion pour moi pour vous souhaiter tous les travailleurs bonne fête de, des travailleurs pour demain. Merci, merci, bonne fête à toi également. Merci. Alors, oui, Rabi, nous allons entamer le portrait. Alors, euh, la star de notre portrait d'aujourd'hui est âgée de 45 ans. Elle est mariée et mère de quatre enfants. Zainabou Abdou est natif du quartier Kirkusei de l'arrondissement communal 5. Elle a commencé la commercialisation du poisson dès l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, Zainabou mène son activité au marché de Dar Salam. Avec ce métier, elle arrive à joindre les deux Notre reporter Omar Hama dresse son portrait. agoga kai sai fondaga boro ta saban bata ga sai kambara zainabu adamu dai agoga moto batino kanga konda nodi dar salam habora amdu koi hamisa dai hamisa waine modai dai kala nodin kirkisoy kurara gaduga nere borai se ingande gwamnati sai kango nodin banda arondi semagwa nyamai galudun karam goyo dai herino kan susube kunno zainabu gate anir famandi matakan aninga fatauke wo sentinda lalla hamisa wo kan ai tana sana ya sun kala jiruwai cin da iya hamisa da ce bafuna a rano ai go bafuna inda ya almiyala gonda istaci ga na gidai ai mu nera rayin mun wa inda izai arana ga business zai kute amma ai sun sinda moyen kan ko ga hamisa sam dar salam no ai ga koi no din ne gonda boryan kan duk kilo zongu ne ga ba kilo waran kan ga ba ai ga sam bugarau man tai ma dai dai noro ai mu ko mu nera dai nera ai mu ka ta sai bar sama hamisa nera yan mu ai kan ne dan hara ai sun da hina ai sun nya ai sun da baba ai haire kulbu ai abo ai babu ai hin naga chai famiora ai te komar sai kudum duma amon gaise ai san ba hamisa amma hamisa hun kuna alhamdulillah a awone a kati amakoy hamise ga kande ne wo nyamay ko arara amma hina jangey agoga ganji aminga da matukan aga barada da wodin dai zainabu wo agoga ga wane muradai ga sande sanda da dai ka kan isin da wayan kan koi ga sambu labuwa na ira kala boryan no koi ga sambu imda kai se wai goy gudai gonde hinano ai koi ga sambu kati aissatu isufu inga mo amanti kalahamise nere kono boro dai kambe ga cer kambe rangande zainabu adam agoga sabu mate kan ga goyo teda cerbande wallahi ai ga bai ai sabai da masala ai sabai da problem ai ga saba sem a ce coka goga te ingi hinna na ga te amin ga murado te da ka ginga hamisa san ba habu san ba ku akwa ginga murado te wa kankan da habora inga na ga ta majira walla a goyona ana muradu bobo na finga bon se zama hun kuna wai bor goga windi jar ne randiraya ne bai kan na fi bayar tara da hami sinariyon wawara da zainabu borno kan igake saru saira amdu konda ise hamisa ganere Merci Omar pour ce portrait, fidèles auditeurs. Continuons cette euh, édition avec euh, de la bonne musique. Notre dernière sur la liste, c'est Keita de Safia. C'est Keita. Halimu ne adam keta da sun ɓata zumunci, ya kamata mu daina l'artiste. J'espère que tu as bien kiffé. Oui, j'ai bien kiffé. Et toi, tu as bien prononcé cette fois-ci, Ruki. <laughs> <laughs> On passe au loti du jour qui traite de l'importance de la carte d'identité nationale. C'est un document administratif servant à justifier l'identité d'une personne. Aujourd'hui, certains citoyens ne connaissent pas son utilité l'utilité plutôt de cette pièce d'identité. Rekia Arimi et Samira Rouafi nous édifient sur le sujet. On les écoute. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji lale yar uwata kina lahiya ya ne ya hanya ina fatan dai kin kamo na wasu abubuwa ko ke ki kara mini haushi kin shi ko yau ban zo da shi ba Allah ya baki hankuri me ya faru wa ya sa ki cikin wannan halin koko Muhammad ne da ki gani waje bisa kan majalisa hm, inda ma shi ne bari in aje kayana in huta sannan in baki labari kaɗan to am shiga ruwa kisha. to gaya mini me ya faru ina so in sha abun da ya saki cikin wannan halin duk ke bi kanki duk ya biya ɓaci Yal'uwa, hm, in na haɗe miki abin da ya same mu kan hanya daga ƙauye zuwa nan ya mai ba kya yarda ba. A kan kowane iyakar gari, na ce miki sai an sabke mu, an tsaida mu. Abin bai birge mu ba ko kaɗan, wanda ya sa kenan muka yi latti. A'a, dan me yasa ake ji ku daga mota kuma a mai ku? Ko ko kun kwaso sayan ƙwaya ne cikin mota? Hm, a'a, wai kawai dan saboda cikinmu wasu ba su da katin ɗan ƙasa wanda ake ce ma karti titi He ka ce dole ne ka yi shi haba ke ko yar uwata ai waɗanda sun kaji da ku suna da gaskiya tun da ke ga kun keta doka ai ai katin zama ɗan ƙasa dole ne kowane ɗan ƙasa ya yi ta inda ya kai shekara goma sha takwas wannan shine ke sa a san ko wane ne kuma a samu a kare shi don ba a sani ba abin da ke iya faruwa kariya kariya da mi kuma da wa cikin ƙasa ta fa nake wani irin abu ne zai same ni gaskiya ni dai in haka nan ne ko ba na sake zuwa birnin nan ba can ta matse miki in kina son ki zo in kina son ki zauna can cikin wannan sulurin ƙauyen naku amma ina son ki san da wani abu katin ɗan ƙasa abu ne da ke gwadin da kai ɗan ƙasan ne kuma an aza shi tun bisa kan dokar da ta wuto rana tara ga watan oktoba na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da hudu amma wallafa shi bisa kan jaridar ƙasa mai lamba goma sha tara na ranar ɗaya ga watan oktoba na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da hudu ke shahamun lahiya kin shigo kiri kika san komi in dai bisa kai ga gaiki ne kam na san abubuwa da yawa to tsada in gaya miki kin ga katin dan kasa da baki iya yawo da takarda aihuwa ke wannan sauki ne da an kan muku abun da bisa takarda aihuwa ki shi dai ne ake rubuta bisa kan katin dan kasa dan ki samu ki yawo cikin kwanciyar hankali kuma ki gani cikin wannan rishin samun kwanciyar hankalin da muke ciki kuma har ma wajajen ku babu kwanciyar hankali kina iya shiga cikin wani hali da baya da kyau kuma ke ga yanzu fa ana zargin cewa mata da su ake kulla baki ana yin masiba kai kai kai kai subhanallahi Allah ya tsare mu kuma in wani abu ya same ki wani hatsari ko wani abu bani fatan shi amma in kina da katin ɗan kasar ki tare da ke wannan zai sa a san ko ke wace ce kuma ke ga ana rubuta lamba saman katin sai a gaya ma yan uwanki kenan haka ne yin wa'annan takardun yana da muhimmanci abin bai taɓa zuwa mini a kaina ba To, kin gani kina da shekara goma sha tara. In kina son ki ta ki ɗauko wani saƙo ba ki iya yin shi in dai ki da katin. Kuma yanzu ga harkokin aike-aiken kuɗi aika a ɗauko maka ko a aika ka aika ma wani. Da kuma harkokin banki dole sai da kati. Ke dai bari, kin gama komi, ai na gane duka. Daga na koma ƙauyenmu zan yi wannan katin domin in samu in yi bulaguro a cikin kwanciyar hankali. Ke, balle kuma ke ma ba kya samu damar cewa ba ba kya aiko mini wani abu ba dan ban ni da kati a gaskiya ina baki kwarin gwiwa ai dai zancen kuɗi ne nan da nan kike fahimtar abu ha na gane fa <laughs> ba ni ruwan nan ki ga in sha la rubrique Loti, une spécialité des femmes du studio Kalangu. Passons à la rubrique culture linguistique. Aujourd'hui, c'est Asumana China qui va nous expliquer les contours du mot travail. Bonjour China. Bonjour euh, Rabi, bonjour Kaya, bonjour les auditeurs. Bonjour China. Bonjour. Donc, mot de, euh, du jour, c'est travail. Mais comme c'est en Hausa, kenan kamar zamu aiki da ta sunanta aiki travail donc kenan aiki ja masu sauraro barkanku da kasancewa cikin wannan shiri mai kawo muku karin bayani akan ma'anar kalmomi yau kalmar da muka zo muku da ita kamar da aka bayyana ita ce aiki kamar da kuka sani ranar ɗaya ga watan mai na kowace shekara a duniya baki ɗaya ana tunawa da ranar aiki ta ƙasa da ƙasa ana kuma kiranta ranar sallar ma'aikata yanzu haka da anan nijar ma'aikata musamman na kwadago sun kimtsa domin wannan sallah ta gobe ɗaya ga watan mai shi dai aiki wato wani ƙuduri ne ko kuma niyya da mutum ke ɗauka domin gudanar da wasu abubuwa ko a cikin tunaninsa ko kuma ta hanyar amfani da ƙarfinsa don gudanar da su inda a ƙarshe yake sa ran samun sakamako don cimma wata manufa ina fatan kuna gane ko to kuma aiki yana da matuƙar muhimmanci wato ga rayuwar ɗan adam domin aiki ne ke ba shi damar samun kuɗaɗe ko kuma abubuwa na biyan bukatunsa na yau da kullum idan ba aiki ba zancen gudanar da rayuwa mai kyau ko kuma ci gaba ga ɗan adam haka ma duk wata ƙasa tana samun ci gaba ne ta hanyar ayyuka da ake yi a fannoni daban-daban idan muka dawo a ranar ɗaya ga watan man wato kwasar da ma'aikata wadda za a yi a gobe albarkacinta a kasashen duniya baki daya ma'aikata na yin fareti wato kamar jerin gwano a kan tituna inda suke nuna mahimmancin wannan aiki da suke yi haka kuma suna neman magabata su mutunta su su kiyaye musu hakokinsu domin duk wani mai aiki ko hakkin da ya kamata a mutunta a bashi hakkin shi a bashi albashin shi da sauran abubuwa saboda aiki ya gudana kamar yadda ake so daga mhm. ta can karin bayanin kenan to shi na mun gode kun muna maka barka da sallah aiki tun yanzu Mhm. Alors, chers auditeurs, auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en russe, en jarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Rabi, il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ma irga kalangu si jirai hangan ya la ga bori zama go borai no bon ferai gum gum borai go du labari kanyan iga himanda gum gum kalangu gon kokaro to ay ga eh, alasan idrisa fo go nyamai da mun kai yaye doso da isufu haruna tilaberi ay magti zakari kari barcire ay wo photographe no ay place ma ni ne photo express minute 40 metre du commissariat nay go kalangu si jire irgi hangana halmanci moso agonda nafa bore kanga hangan se zama irgo ga borcin do kansa hangan irgo ga isensibiliser imaye ga radio kalangu hangan gumo e eh, sintine parmi lo ay isfu matela ko fo ago dikki aiga sulai fo nga mo si kala no dinda komisariya jarga sulai sai buni dina se o wato asi kala college alfalana go aiga fo aiga mumuni logo fo nga mo asi kallo ga ai ma lawali sa kan gutar manasa ballara to wallahi matakan irgo ga dia de irgo ga sabu ise e newo e irgo ga ir bon feri irga sabu ise insha Allah mu irga yega tonton ka aran hangan wata kulu o insha Allah dabar da ai ga sha'abu fo e tukunus ai ga basiru fo kan go tukunus ai ga salihu ai kai ne kan gonorin ai fu. sidi abubakar kuma ina na a garin ciro a gaskiya shirye-shirye na studio kalangu bisbillah ni da a ra'ayina suna ta da gaskiya paske muna sauraron su a yadda ya kamata kuma muna jin fon da kama a yadda ya kamata ka ji shi ko da ka sa wani abu idan ka saurare su gaskiya za ka ji su normal kuma za ka ji labarin nan a yadda ka ji shi hakanan ne suna ba da labari daidai yadda saka same shi kuma a yadda aka yi shi ko da ka diba ma za ka ga kawai hakanan ne aka yi wannan abu mu dai anan muna jin dadin ta gaskiya da harin abin da shafi M4 ba da niyyar sauraron shaka amma a lokacin da na fara sauraron radio Kalangu ina wuce na je wani wuri gaskiya kace mun za a fara M4 na jita kuma da na koma gaskiya daga nan na kama kawai in dai lokacin ta yi ko ina ma gaskiya muna kunna ta ta tunda muna samun labari a yadda ya dace ina da duk mutane da suke a cikin radio na kalangu eh, wanda suke saurare da waɗanda suke sara abun gaskiya muna jinjina musu sosai kuma mutane su mai da niyya sosai ga kalangu gaskiya Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Nous sommes à la fin de notre émission, le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de moi-même Rabia Mekano et Rukayatou Abdraman. Le rendez-vous est pris demain pour, euh, avec un autre duo pour une autre émission. Pour ma part, on se retrouve à 17h pour la grande édition du soir. Excellente journée à vous.